Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à Maradi, plus précisément lycée Corée de Maradi. très, très, très, très, très, très, très grande école. Au micro, ici à Vive Garba et la technique est assurée par Abdelkader Tiambiano. Ce soir, de la FADA, nous allons parler de comment améliorer la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école ici à Maradi. Dans un article publié par le site euh, nigérien, Niamey et les deux jours euh, relèvent un faible taux de 29% des filles scolarisées au Niger, une disparité constatée aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. La population rurale représente 85% de la population au total du Niger et ne compte que 15% des filles scolarisées. Donc on va voir ce qui se passe maintenant parce que pour le maintien de la fille dans sa scolarité au Niger, le gouvernement a initié la création des internats pour les filles. D'abord, euh, l'INA a été créée à Tchélé, dans la région des Anders, euh, selon plusieurs sources. Et aussi, cette école marche très bien, ça va très bien, l'internat. Ça encourage beaucoup le maintien de la jeune fille à l'école. Et plusieurs aussi sont en cours dans plusieurs localités également au Niger. Le chef de l'État euh, nigérien, Mohamed Bazoum, qui a d'ailleurs enseigné ici, la philosophie de l'école Amadou Dambaskore, Dambaskore on dit, non, c'est pas lycée Dambaskore, Voilà, lycée Dambaskore qui a enseigné ici la philosophie. Euh, donc ça veut dire que nous sommes vraiment dans une grande école, comme je l'ai dit, avec des élèves, des enseignants, euh, le professeur même est à la FADA aujourd'hui. Nous allons voir comment ça se passe. Lors euh, de la rencontre, je disais, le mercredi 21 septembre à New York, en marge de 77e session, le président de la République, Bazou Mohamed, a sollicité l'aide des partenaires pour un financement, la construction d'autres internats pour les jeunes filles rurales au Niger. Un geste qui traduit la volonté des plus hautes autorités de maintenir vraiment la jeune fille à l'école. Donc, avec euh, les jeunes de la FADA ici, nous allons voir euh, comment ça se passe. D'abord, euh, nous ferons la citation de la scolarisation, qu'est-ce qui bloque sa scolarisation, quelles sont les actions menées, comment encourager la jeune fille de Maradi à aller à l'école. Eh bien, les amis, toutes ces réponses dans la FADA. Et aussi, vous savez, la FADA, c'est 35 minutes, rubrique, chronique, musique, échange, réseautage et tout, tout. tout. Euh, je vais commencer avec vous, monsieur le proviseur. Monsieur le proviseur, vous allez vous présenter d'abord, après, et euh, vous allez nous dire euh, quelle est vraiment la situation de la scolarisation de la jeune fille ici, au lycée d'Ambascore. Euh, je m'appelle Mani Maman, je suis proviseur du lycée d'Ambascore. La thématique d'aujourd'hui sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école, c'est vraiment un thème d'actualité parce que beaucoup de structures, des ONG, des projets viennent pour sensibiliser la population sur la nécessité de maintenir les jeunes filles à l'école. C'est vrai, à Maradi, beaucoup d'aspects empêchent la jeune fille d'aller à l'école ou de prolonger sa scolarité. Et cela est dû non seulement à la pauvreté des parents de foi qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins intégral de ces filles-là. Et deuxièmement, il y a les préjugés sociaux euh, liés à la tradition qui ne permettent pas à la jeune fille d'aller loin de ses études. Tantôt, elle les marie très jeune, tantôt, ils abandonnent par précarité et par euh, problèmes liés aux besoins. Mais aujourd'hui, euh, nous avons compris que rien qu'au plus haut sommet de l'État, euh, il y a un souci qui anime le gouvernement à pouvoir maintenir ces jeunes filles à l'école à travers la création des écoles, des établissements internats c'est là euh, vraiment c'est un ouf et que en dehors même de ça, nous avons compris ces dernières années toutes les inscriptions que nous avons, l'effectif des filles dépasse largement celui des garçons. Quand vous regardez nos classes de terminale jusqu'en terminale, vous allez voir l'effectif des filles est plus nombreux que celui des garçons. Et qu'est-ce qui explique ça maintenant Cela s'explique par le fait que les parents ont compris que la scolarisation de la jeune fille, c'est vraiment une euh, réussite sociale parce que la fille, une fois atteint un certain seuil, elle peut mieux aider les parents qu'un garçon qui réussit. Vraiment. D'accord. Euh, maintenant, aima shamsa classe fo non go terminal td terminal td terminal d non go negte mm. eh matano te kan isa gol kol kan to terminal ni man fatala kol matano te Bon, c'est à cause de ma mère et de mon père quoi, que je suis à l'école jusqu'à présent, euh, puisqu'elle me mm-hmm. soutient. Mm-hmm. Et puis, voilà pourquoi elle me soutient, parce qu'elle a été à l'école, et puis elle enseigne, et puis mon papa était à l'école. Donc, euh, il me soutient à 100% pour que je réussisse. D'accord. Alors selon toi, qu'est-ce qui explique le fait qu'il eh, y en a aussi qui, na, qui ne poursuivent pas C'est parce que leurs parents n'ont pas été à l'école ou bien qu'est-ce qui explique ça Bon, pour moi, c'est parce que leurs parents n'ont jamais été à l'école. Puisque si vraiment ils étaient à l'école, sinon pas a à l'école. il allait faire la même chose que les parents ici quoi. Ok, je reviens, je donne la parole au garçon d'abord avant de, de, revenir à vous. Euh, prenez le micro, sans Sambou Micro. Sambou. Explique-nous euh, vraiment euh, la situation de la scolarisation de la jeune fille ici à Maradi. Maintenant, Mourado Goda, il y a le col, il fatano, il y a le coptener, il y a le gigi, maintenant, maintenant, Gote Maradi, le fondara. Sofa fa binara col au carrère, lycée d'Ambascore donc euh, voilà, euh, merci beaucoup. Moi, c'est Ibrahim Babaraj Aboubakar. Je suis élève en terminale C dans le lycée, au lycée d'Ambascore de Maradi. Mhm. donc moi, je ne vais commencer mes propos que par remercier d'abord, en tout cas, les membres de l'Istudio Kalangou d'avoir porté leur considération sur le lycée d'Ambascore dans plusieurs lycées de Maradi. Et donc, euh, le sujet, c'est l'éducation de la jeune fille. Je vais commencer par ce que les gens ont l'habitude de dire, le jargon familier. On dit que la femme est la mère de l'humanité. La femme est la mère de l'humanité. Et ici, on parle de la jeune fille. Et c'est la jeune fille qui est appelée à être femme. Et donc, si la jeune fille qui sera appelée à être femme n'est pas éduquée, que deviendra l'humanité Ça, c'est une question. Ça serait un grand problème dans l'avenir. Et aussi, la femme, c'est elle qui est appelée à être femme au foyer. La femme au foyer, c'est elle qui éduque les enfants. Donc là aussi, il y a un souci, puisque si la fille n'est pas bien éduquée, en tout cas son produit, la qualité de son produit sera compromis. Quand je dis la qualité de son produit, c'est-à-dire euh, qu'elle va enfanter. Ok, tu viens de me dire que tu en terminale, il y a combien de filles dans votre classe hmm Il n'y a que quatre 4 filles. Il n'y a que 4 Vous êtes combien Nous sommes 14 dans la classe. Donc quatre filles. Donc quatre filles. Ok. Je crois bien. Et voici l'une des filles au milieu. Machallah, ça c'est très bien ça. Aja, euh, présentez-vous d'abord. Je me nomme de Ashur Alassane Malik en classe de terminale. Terminal. C. Terminal C, c'est pas caché, il faut dire terminal C. Et pourquoi vous avez choisi vraiment euh, de faire terminale C C'est mon objectif de faire la terminale C parce que j'ai des grands rêves dans la vie. Mon rêve c'est que le Niger devient indépendant Ok. Par rapport à l'énergie électrique. D'accord. Qu'elle t'accompagne. Ah ah, c'est tout ce qu'on peut dire. Et maintenant, euh, dites-nous pourquoi tu as gardé l'ambition jusqu'à maintenant, arriver en classe de terminale. Tu n'as pas connu des obstacles en cours de route, voilà. Si à un moment, je n'étais plus motivée. Pourquoi euh, Parce qu'à un certain moment, arrivé en classe de seconde, les professeurs ne nous enseignaient pas, ne nous enseignaient pas vraiment. Il y avait beaucoup de grèves et cela m'affectait vraiment. Ok. Maintenant, euh, quelle est la contribution des parents hein, dans ça là Sincèrement, mes parents m'aident vraiment. En quoi faisant Parce que je me dispense des travaux, des, travaux ménagers. J'ai beaucoup de manières, tellement que j'ai beaucoup de manuels, je n'ai même pas le temps de tout les <laughs> vérifier. Ok. Elle me paye les cours privés. Presque tout ce que j'ai besoin, elle me donne ça. quoi Comment tu vois les autres filles avec qui vous avez commencé l'école aujourd'hui, qui, qui, ont abandonné certainement Il y en a euh, quelques-unes. sincèrement, depuis mon parcours scolaire, il n'y a que deux filles qui ont abandonné. Ok, et pourquoi elles ont abandonné la première, elle a redoublé deux fois en classe de quatrième. Ses parents sont pauvres, donc elle n'a pas pu continuer ses études. L'une en classe de troisième, elle a essayé trois fois, ensuite elle s'est mariée, maintenant elle est mère. Elle est mère Oui. Ok. C'est bien, alors applaudissez pour euh, euh, Malika. Oh, voilà. Euh, chef, il paraît que c'est vraiment les garçons qui empêchent les filles d'aller loin dans leurs études. De bora sin tingi sappe gi bisen ga ni ga ga imane ni bara hi jese. Parang isin de bada la matkan provision ni kison da imbora sam imbora hi gandi. Ya di nol ma ya di na bora. Ai di faman di na fam. Ibrahim. To, assalamu alaikum. Alaikum salam. To irga sabu dai studio kalangu borai se ka hun kun ka lise dan boskore. Igon ha dai hankan gi nguwai borai zigan jamu chau. Mm. Alfa ga ni anu. masima imine ha waina argusunogu woyi borese ganja mo chaw niano on est bien d'accord avec ça Ok. donc un garçon il fait ses avances wala ba ni bora ga fonda bon an go kan ga bena kan ga fun aga ba education kan china fu borai ni gano mhm. Cena in ga ya ga bai dai kan hari kan si boriwo isate dinna temo fu ga no ni kan da hawi wala kenan a ga wajibu inga bumbo daga a mu bai kan hal inga gotarai wo matin ga bom ma ga sai ningo tarai bo a'a inga inga wani kwar bore imajo inga na goga ka greflete on dit l'enfant est l'image de sa famille donc il incombe à ce que quand la fille sort qu'elle sait on dit quand tu ne sais pas d'où tu viens tu ne, tu ne sauras pas là où tu vas ou bien quelque chose du genre comme ça mhm. donc c'est un peu ça le souci ok d'accord mana euh, je reviens à vous. Samuni mikra mici matkan ma. Miya sunan ci? Zainab. na Zainab to. Zainab mi. Zainab. Zainab. Mutari Sambo. Zainab Mutari Sambo. Zainab e, miya sa e, da yawanci e, mata ba su zuwa nesa a lokal. Surtout a Maradi. Surtout a Maradi. Zan kai ni foyi mene ni yandi. So, kamar wani abu ne da an rakwai shi yanzu da da can uwaye ba su san shi ba. kamar kudin kojes wannan da ake badawa da wani kudin mai gadi a ce sai an kawo da charge dai da sayan furniture da mi duka a recall premier sai a ce sai an kawo kudin mai gadi wani bidetan sai an kawo kudi a to irin wannan uwaye suna ga an sha musu kai da yawa haka kuma uba da yake so ya ci da iyali abinci ma ana nema a samu a ka abincin da yara za su ci kuma lakol an damu uwaye su kawo su kawo ina ga shine yake sa kamar uwayen ce to ma ku yi zaman kuma dole ne ba sai an yi ok Amis de la FADA, avant de poursuivre notre émission, on va écouter la rubrique rose et après on se retrouvera. C'était là la rubrique rose proposée par les filles du studio Kalangou. Non, non, regarde le micro. J'aimerais que tu me parles maintenant de tes amis avec qui vous avez commencé l'école, qui ne sont pas à l'école aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles deviennent Salam alaikum. Salam. Sunana Bon, tun da muka ware equal tun equal premier har zuwa yanzu babu cikin abokani na wanda ba su equal har yanzu suna equal tun da duka uwaye mu intellectual ne suna aiki kuma click in mutum da muka taso fi babu wanda baban shi bai aiki ko gidansu ke da wani matsala wani abu duka an san darajar karatu kuma doitan zanta ana zawa ikwal ana tambayawa muna shiga kur ba mu shiga muna zawa ba mu zawa ana sai mana duka lai furniture wanda ya kamata komi fi dilla ba sai mun tsaya ikwal ba daga gida ake bamu to a haka nan mi zai hana yaro ya karatu inda yana da niyya da an ga mutum bai karatu to bai da niyya ne so nawa mutum gidansu in yana da zuciya yana da amur in iya ciri in gidansu ba a matsa mishi ba san darajar karatu yake forsan kan shi ya karatu ana ga lahin uwaye dunfar hada lahin elef sansoroma ok d'accord merci beaucoup c'est très bien expliqué je reviens à toi Aja, je suis maintenant Nima. Mon nom est Asma Abdoulaye Asmaou Abdoulaye, euh, j'aimerais savoir si aussi tes amis avec euh, lesquels vous avez commencé l'école aujourd'hui, il y en a qui ne vont plus à l'école. Qu'est-ce euh, qu'elles deviennent ces filles-là Oui, il y en a. À quoi akwai biyawa hmm. wasu à l'école. aure sun fasa ekol suna gidan mijinsu wasu kuma muna tare su ma daga en hakan an an qu'est-ce qui fait que elle abandonne l'école chap chap quoi ça pourquoi mm, aure kamar lokaci gare shi su suna yin aure wani miji shi ke shi karatu akwai wanda kuma suna yin da su musu in sun aure continue da su ce musu ok sun yarda daga sai su ce buwasi buwala ba ka yin aiki da kyau kana ta ya ekol ba ka yi musu da yaka abin da suke bukata sai su ce a wasa ekol kuma a musulunce dole abin da ka ya ce ka yi shi kake yi in kuma ka ce ba ka yi uwayenka dole sai sun sa baki sun ce dole sai ka bi abin da yake so yanzu ke gurin gurinki burina mm. ina so yin karatu mai zuri mm-hmm. sosai saboda ina so in zama magistra Mbaïsa, Mba, maître <laughs> votre honneur <laughs> monsieur le proviseur euh, je reviens à vous maintenant. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi le secret de votre lycée pour qu'aujourd'hui on constate qu'il y a autant de filles que de garçons dans la classe et il y en a aussi euh, des filles en terminale C, quelque chose qui n'est pas facile à Niamey jusqu'à avoir quatre filles dans une classe de terminale. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le secret des lycées euh, de des Merci, euh, euh, Studio Kalangou, de nous avoir tendu ce micro. Et le LDB, son secret n'est rien d'autre que la carrière et le souci qui anime ces filles-là. Parce que euh, aujourd'hui, il y a éveil de conscience, non seulement au niveau des parents, mais au niveau des enfants qui ont compris que aller à l'école, c'est d'abord gage de réussite sociale. Parce que ceux qui ne sont pas partis, on les voit dans la rue, traîner dans la misère et la précarité. Maintenant, personne ne veut souhaiter être dans ces conditions-là. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez presque dans toute une classe, vous allez voir, même en termes de travail, le premier rang est occupé par les filles. Par les filles. Ok. Et nous avons en classe de terminale, en terminale A comme en classe terminale D, ces élèves-là, ils fournissent assez d'efforts. Ce qui est clair, nous avons euh, toute la garantie que ces enfants-là vont relever le défi. Vraiment, c'est sur quoi nous pensons. D'accord. Mais vous êtes passé par quel chemin pour arriver Le chemin n'est rien d'autre que la conscientisation des parents et surtout des enfants qui ont l'idée d'une nette concurrence puisqu'ils ont vu leur aîné aller de l'avant et certains qui traînent la misère dans la rue, ils ne veulent pas, ne veulent pas tomber dans ces conditions-là. Voilà pourquoi le souci euh, qui les oh. anime est celui d'aller de l'avant et de réussir socialement. Et la seule euh, voie n'est rien d'autre que la voie de réussite à l'école. Qui n'a pas parlé Eh, sunana rahila yaya sani rahila yaya sani rahila wani eh, classe kike je suis en classe de la terminale A Ter 1 pourquoi en terminale A parce que depuis la troisième cette merde matière la physique chimie okay. m'énerve beaucoup <laughs> Merde matière physique chimie m'énerve beaucoup ok dans ce body tu as préféré mm -hmm, ok et eh, maintenant qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce Moi mon rêve depuis l'enfance, mm. j'aimerais devenir un juriste. Juriste. Oui oui. OK. Madame le juge. Alors, euh, quel conseil as-tu à donner aux jeunes filles qui abandonnent l'école avant la terminale On t'écoute après, je vais écouter la musique et on revient pour euh, euh, essayer de conclure justement, celui qui n'a pas parlé, prends le micro, présente-toi. Euh, moi, c'est Ousmane Kabir Ousmane. Ousmane Kabir Ousmane, parle-nous aujourd'hui de tes relations avec les jeunes filles euh, ici euh, au lycée d'Ambascore. Est-ce que ton comportement encourage les filles à venir à l'école ou bien c'est un Cali Oh, moi, cette question m'a bloqué en fait. Ah, c'est comme ça Moi, je ne fais que des relations avec les filles de notre classe, pas les filles et c'est relations ça se sur les études seulement. Moi, ce qui me plaît auprès des comportements des filles de notre classe, c'est mm. qu'elles qu'ils veulent follement et fortement étudier. D'accord. Ils ne veulent que étudier, n'ont aucun programme de leur vie qui étudie. Donc, ça, c'est un point envisageant, quoi. Et toi, tu les encourages à étudier ou bien euh, quand tu viens, c'est distraction time Ah, mais. <laughs> mais quand la masse part pour le côté positif toi tu vas pas partir le côté négatif. ok. On se comporte comme elle veut, et comme elle veut plutôt. La majorité, pas même la majorité, les élèves de la C tu vas les trouver, c'est pas parce que je suis en série C en fait, en série scientifique. Les élèves de la série C, à cause de leur euh, sous-nombrement, à chaque moment que tu partes dans les classes des, scientifiques, surtout la première C et la terminale C, tu constateras toujours que les élèves sont calmes, assis et, chacun fait quelque chose qui est avantageant. Donc dans ce cas, on, échange, on, échange, des idées, comme les autres ça faire quelque chose plus que toi tu vas partir envers eux pour que tu apprennes du mieux. maintenant, euh, dites-nous un peu quoi, Tine à faire non quoi, c'est Dans votre classe, qui c'est qui, qui a la tête C'est les filles bien c'est les garçons hmm. C'est ça non Bon. Elles sont pas nombreuses, elles n'aiment que parler et Mais personne n'est parfait. Oui, je sais, on ne parle pas d'être parfait. Oui, on ne parle pas d'être parfait. Prenons le cas qui, c'est social. C'est qui, qui la première ah, c'est pas qui la première. Dans ce cas, on va pas rester, euh, laisser les filles euh, euh, devenir les premiers de notre ah, classe. Même religieusement, on avait dit à le Kawamouna à la naissance. Comment ça, nous allons faire renverser Ah, c'est pas une première. Ah, c'est un premier. C'est un premier. on ah, va pas laisser les femmes, en fait. <laughs> Ah d'accord, Bakoureda. Ah bah merde. Euh, oui, euh, Basoureda, on va écouter Bataï Saïdamou, ça ne va pas vraiment passer sans les filles. Bataï Saïdamou de Barakina. Keza kicheche mu, keza kiche bazani chuche kiba. Shagali, shagali dali, da keza mushan shagali. Company, company kamshi, zani kekikishan shagali. Bar su bar su baby. kowa na da aikinsa lokaci lokaci ya kai kuma alkawali ya cika komi bata yi sai da ni bata yi sai da ni kuma bata nisa da ni bata nisa da ni ita bata shi sai da ni bata shi sai da ni abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi sai ta ce sai da ni

C'était là à Barakina et après euh, on est là euh, au niveau des lycées d'Ambascore, de Maradi avec les filles, les garçons, le proviseur pour parler euh, de la scolarisation de la jeune fille. Comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir les filles de Maradi à l'école C'est de ça qu'on est en train de parler. monsieur le proviseur, on vient à vous pour avant de clôturer euh, on a écouté ce que vous avez fait pour arriver ici. Qu'est-ce que vous comptez encore faire pour la jeune fille Prenez le micro <laughs> pour la réussite de la jeune fille à l'école. Voilà. notre souci est partagé. Nous allons toujours continuer à plaider et euh, à sensibiliser non seulement euh, les parents, mais aussi l'État à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de maintenir les jeunes filles à l'école et aussi le maintien de leur scolarité. Qu'est-ce que vous appelez les dispositions Les dispositions, c'est d'abord les sécuriser du point de vue euh, précarité, parce que certaines abandonnent l'école malgré elles mais quand elles sont sécurisées du point de vue moyen, là elles peuvent aller. Et c'est pourquoi, avec euh, l'initiative euh, du président de la République qui consistait à créer des internats, ce qui est clair, un jour à Maradi, le nombre de filles que nous avons, c'est que nous aurons un établissement internat où les filles vont continuer à étudier à l'aise et dans les conditions les mieux euh, garanties. Merci beaucoup, euh, monsieur le proviseur. Euh, je reviens à, toi. Vous d'abord, après on va écouter et leur propre cri de cœur. Chef, menene ya kamata a yi 'yan mata euh, su gaba à l'école pour qu'elles continue pour qu'elles soient vraiment maintenues à l'école Je vais euh, ta réponse à Hausa. Bon, selon moi, c'est de construire des écoles un peu partout, mm. surtout, surtout dans les villages, pour mettre aux filles euh, d'avoir accès aux études et de sensibiliser les parents, les parents de la jeune fille, les parents de la jeune fille à leur accès à l'école, alléger les tâches domestiques et sensibiliser encore les enseignants de la promotion de la jeune fille. D'accord. Oui. Sensibiliser les enseignants à faire la promotion de la jeune fille. Oui, c'est pas un problème. problème. Oui. <laughs> Prends le micro. Ibrahim. Maintenant, eh, j'aimerais savoir, Ibrahim, oui. qu'est-ce que toi personnellement, tu es en train de faire pour encourager le maintien de tes camarades filles à l'école. Euh, voilà, donc la question, on va prendre ça dans un cas général, pas pour ma situation personnelle. Et donc moi, la question là va me rappeler, hein? en tout cas, un livre où j'ai lu, euh, on parle de Seine Kunche, là, comment il a fait sa gérance. C'est lui qui dit que les Nigériens là, si c'est pas la dictature, ça ne marche pas avec eux. Et donc, si on prend les filles, les jeunes filles qui ne sont pas, en tout cas, à l'école, fort malheureusement, la plupart des, si on prend sur 100, 75 ou 80% des filles qui ne sont pas à l'école, c'est de degré. C'est aller à la maison même, on ne les laisse pas, surtout quand on, met l'accent sur la région de Maradi. Donc, euh, moi, personnellement, ici à Maradi, j'ai une grande soeur, elle est enseignante dans une école primaire de, vers, dans les quartiers pacifiques. Là. Elle me dit que il y a une fille dans sa classe. C'est sa maman même qui s'est déplacée pour venir la voir, pour lui dire mm-hmm. Puisque vraiment, c'est avec cette fille, elle arrive à trouver de quoi mettre sur la dent. En fait, c'est la fille qui part, c'est la fille qui part au marché vendre de, je ne sais quoi dans les soirées. la femme lui a dit que vraiment, de lui, en tout cas, de lui accorder toutes les soirées durant toute l'année scolaire. La fille, elle, elle ne vient que dans les journées et non dans les soirées. Et donc, vous voyez ça, le problème, on peut lier ça, n'est-ce pas, au désengagement des parents oui à la pauvreté. Mais c'est la pauvreté, puisque compte tenu du fait que n'est-ce pas, le Niger Bon, on dit que le Niger, trois points de suspension, je n'ai pas besoin de parler sur ça. C'est bon. Voilà, euh, je donne le micro à celle-là, elle va nous proposer des solutions. Après, et euh, voilà, on va fermer l'émission pour euh, encore commencer une autre pour parler des téléphones portables qui traînent dans nos sacs un peu partout, qui nous empêchent d'étudier, qui nous empêchent de nous <laughs> concentrer à la FADA. Alors, parle-nous, Aja. Aja, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la fille elle reste à l'école, quel soit en Hausa, en Zarma, en mais pas en Mogobiri. Hein. On y va. Qu'est-ce qu'il faut faire Mia Kamataï, dans ce hommes à l'école. Mia Sunaki d'abord. Je m'appelle Yasmina. Okay. Et ce qui a lieu de faire, que qu'est-ce y a à Barre kamar solution kuka ce oui solution Ciao. shine dai uwaye su samu su bar yara mata su yi karatu Souma samu su ma su zama wani abu saboda tarbiyyar euh, éduquer une femme c'est éduquer toute une nation euh, par les citations de James Emmanuel, euh, James Emmanuel géré à Agrey, qui est un fonctionnel euh, et qui est un intellectuel et missionnel ghanéen. Euh, il contribue au développement de l'éducation des enfants qui disent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation parce que c'est elle qui est la mère de toute la société et puis elle a droit à une éducation et à un respect. Et vraiment, elle doit étudier. Et puis les parents aussi doivent donner des, opportunités pour que les filles n'aient qu'à étudier et avoir... Euh, euh, avoir accompli leurs rêves par exemple. Voilà, avoir accompli leurs rêves. Voilà, et il faut d'abord Madela chronique sen ko gangan émission tout ça la fada mon gangan abdoukader kiambiano ergin fonogoy et oui c'était là la chronique cher ami de la fada ainsi prend fin la fada de ce soir installée

sigita ta kai gorandi nan kai gonaga nan kane yancin janko ibore sami dikan haire talkatara ngure no gonaga nan zan kai fata lo kolera za igo zan kai na imi higandi olomo imi dan kopta talayan olimi dan dan kan sibori azaw salam miram chargorbali merci